de 6 et son personnel, chers collègues et enseignants, chers parents et invités, qu'elle soit nettement différente des années précédentes, cette année a été chargée d'événements, d'aventures, de moments magnifiques et d'apprentissages fantastiques. Nous sommes heureux que notre aventure en tant qu'école exemplaire pour le développement des compétences ait porté ses fruits. Nous sommes plus convaincus que jamais de poursuivre l'enseignement par le développement des compétences et nous sommes fiers des expériences. De surcroît, nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que notre école suivra les plans du ministère afin de garantir un environnement sûr et bienveillant pour les élèves l'année prochaine. Nous investirons davantage nos ressources nos efforts et notre temps dans l'éducation afin de hisser l'école Kerfandra au sommet de l'excellence. Nous remercions, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux parents et tuteurs de nos élèves qui nous confient l'éducation, l'orientation de leurs enfants. Ils sont responsables de notre cause. Nous remercions également M. le Président Pape Doumbia Ludwig Ndiak Il a créé ce magnifique temple du savoir et celui qui crée une école est éternel. Mention spéciale au directeur Mouchembe 6, qui non seulement joue pleinement son rôle de directeur, mais assure également sa présence au sein de l'école en tant que père et conseiller. Un grand merci à vous et à vos collaborateurs, M. et M. Ning. Allah le Tout-Puissant vous guide et vous procure la force nécessaire afin de relever tous les défis futurs. Nous remercions aussi le corps enseignant, de braves femmes et de braves hommes qui n'ont ménagé aucun effort pour relever tous les défis escomptés. Nous, mettons aussi une mention spéciale, une mention spéciale à notre... cà phê em mơ cà phê cà phê cà phê mê gà lì đô đu inisolame emesuso inisolame nella foresta lo alcone ciò Dicevo papà, ma papà, Parce que mon papa, mon papa à moi, mon papa aimé. Il est le plus beau, le plus beau, le plus gentil. C'est mon papa. Il est donné par la famille, la you. एक दफा एक दफा c'est a ثم qui fait le corps, ce qui fait la joie moi. la la discipline et la solidarité. C'est 4 ans de faire la manifestation de le de la Bonjour, comment va ma vie academic ready. It was the did a wondery, lovely Sunday, Nara, Nima, Abun. Zile, şeşe, zile, ben sadece

Filadelfia, vacilamos en usted. No solo pintamos los Bravo, Liliana. Tienes, te para a este, a este soldado, como hace a tener tele, dame, Bravo, Papá Pizarro. Thank you. feito. से आता है फॉर्मोलिन votre présence aujourd'hui, la fête de l'école. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. malheureusement, le temps ne nous permet pas. Nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette fête. Je remercie tous, de nous de contenter de ñaanal de remercier particulièrement monsieur Mbaye Ciss ma dog nga tàcc ko bu baax a baax ma ñaanal bu baax grand loo mag nga liggéey nga taxaw nga assisté nga ñu loolu yëpp nag su amee c'est grâce à monsieur Mbengue ma bëgg nga ñaanaloon ko bu baax parce que bu nekkoon te samay ànd ak moom mu naan ma grand dugal ci lii wala laa tey duñu egsi fii Mbengue sama xarit la sama waay la sama àndandoo la sama compagnon la donc maa koy ñaanal bu baax monsieur la marraine dama lay ñaanal bu baax la marraine kontaan nañ tey trop ci marraine bi mu indi une forte délégation sa veut dire que tey moom ba muy ñëw xeebuñu su ko neexoon mu jël benn nit ñaar taal oto ñëw parce que quoi qu'on puisse dire xamuñu ko mais gis nañ ay mbiram directrice la euh, kilifa la muy nit ku baax nit ku màgg donc ñu ngi koy ñaanal gis nañ kado yi gis nañ taxawaay bi gis nañ délégation bi donc ñu ngi lay remercier bu baax di ñaanal sama yaay booy jëlee nga xam ne moom laa tuddee école bi muy sama yaay di sama xarit di sama lépp ba may nekk xale maay tawam bu

maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ci jàpp particulièrement waa groupe prestige waa mouvement Thiès sa kanam yëpp a ngi ne maa ngi leen di nuyu ñëpp tey du politique tey excellence la ñuy wax tey ku gis xale yi prestation yi ñu fi def yu ci bëri gis naa ko mais lu ci bëri xaju fi malheureusement le temps ne vous le permet mais ñu ngi remercier ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp di jox ñëpp ñëpp déwén incha allah chaque année ñu gën a yokk di wax rek ni président de la république nous avons koy tàllal loxo nagoon nañu jàppale nous avons groupe précise, waa Thiès vous kanam nous merci euh, la journée de l'excellence euh, euh, vous avez misé également au-delà des autres aspects sur l'éducation qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette troisième édition ce qu'on peut retenir pour cette dernière c'est de relever le niveau Ensuite, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup insisté sur euh, l'éducation des enfants, sur les valeurs, sur l'éthique, le moral et autres. Et cette année, nous avons vraiment parlé aux enfants parce que Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de, je ne sais pas ce qu'on peut dire, maintenant, mais il y a beaucoup euh, d'insultes, de, de, messages malsains qui, passent dans beaucoup de dérives, surtout dans les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup insisté avec les parents d'élèves, surtout les enseignants, pour que cet aspect soit beaucoup insisté au niveau des élèves. Et vous pensez que ces enfants peuvent être épargnés en les préparant très tôt Absolument. Aujourd'hui, un enfant, sur si tu lui donnes une très bonne éducation, c'est bien parti. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a beaucoup de dérives. Et si, on n'y prend pas garde, ça risque de dégénérer. Déjà, le préscolaire et l'élémentaire, avec d'excellents résultats, certains parents ont émis l'idée d'avoir un collège. Vous y pensez On travaille là-dessus. Si vous voyez, l'année dernière, on a eu 95% de réussite au niveau du CFE. Donc, euh, cette année, on va essayer de faire on a eu à parler avec les directeurs, les, 99% de réussite. C'est ça, la barre est un peu élevée, mais c'est ce qu'on travaille actuellement. En, tant que promoteur, chef d'entreprise, la, paix du pays vous, intéresse. Quel est l'appel que vous faites Absolument, c'est ce qu'on a toujours dit depuis le début, le dialogue. Il faut que les gens se parlent. Voilà, c'est mieux. Si on ne se parle pas, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, nous renouvelons vraiment cet appel, c'est que les gens se parlent. Et ça fait du bien que, les gens se parlent. Il y a une, stabilité. Donc cette stabilité-là, on, on, prie pour que ça continue. Et on prie parce qu'on va vers une fête très, très importante au niveau de, notre religion. Donc euh, on prie vraiment pour que cette stabilité continue. Vous avez lancé une appel, L'appel c'est d'être ouvert, hein, discuter avec tout un chacun, toutes les parts. C'est important de, renouveler cet appel encore aujourd'hui, on le dit, on le répète. Donc euh, on prie vraiment pour que cette stabilité règne dans ce pays en tant qu'acteur de, l'éducation, comment appréciez-vous ce qui s'est passé à l'université Mais c'est déplorable, c'est de n'importe quoi, on peut le dire ainsi. Parce que je ne pense pas qu'un étudiant puisse brûler tout ce qui s'est passé là-bas. en tant que des gens qui ont eu à fréquenter les amphis, je ne pense pas qu'ils le feront. Maintenant, ce qui s'est passé est passé, je pense qu'il va falloir discuter et euh, revoir beaucoup de choses et surtout essayer de sécuriser les enfants. C'est important pour l'avenir de nos enfants, pour demain, pour l'histoire. Surtout pour l'histoire, c'est important parce que ce qui s'est passé vraiment, c'est de l'anarchie. Euh, concernant toujours l'école, on sait que beaucoup de parents sont, sont, démunis. Est-ce que l'aspect social est pris en compte pour cette école cette école, on mise énormément sur l'aspect social. Je vous dis, ici, c'est une entreprise privée, c'est une école privée, mais aucun élève n'est renvoyé jusqu'à la fin de l'année. Personne n'est renvoyé, donc on garde tout, on garde le cap. C'est extrêmement difficile de parler ainsi, mais c'est ça, la, la, c'est ça qu'on est, on prône, c'est-à-dire l'excellence, parce que le niveau, là, un peu, le niveau social, on, on veille vraiment là-dessus. On le rapidement déjà, y a bi lan la ak ban mébër ngeen am ci côté njàng mi. comme ni ko j'ai rek jéem a liggéey fexe ba nga xamante ni njàng mi dina gën kanam parce que nous avons xool temps prix prix du euh, niveau de dafa donc on est en train de travailler là-dessus Nous li nga xamante loolu lañ ci pour élever le niveau bi donc boo xoolee côté petite section bi ba CM2 dao defoon nañ 95% de réussite cette année ak directeur bi ñu ngi waxtaan pour jéem a def quatre-vingt-dix-neuf wala cent pour cent de réussite donc ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy waxtaan ak euh, ñi nga xamante ne tey ñoo téye école bi. lan moo def justement secret bi pour résultat yi. secret bi mooy liggéey boo xoolee tey jii euh, côté école bi maa ngi ci waxtaan ak directeur bi ñu def benn briefing fi mu ne ma ñoom seen programme. pare nañ ko au moins un mois avant école tëj c'est important euh, ce qui veut dire que tey Euh, loolu da leen di permettre tey jii xale yi suñ demee ci examen bi duñu sonn donc am nañu ay ay kàngam yoo xamante ni ñoo téye école bi macha allah touche du bois boo tey examen yi nga xamante ni moo mujj CFEE bi ki joxe. Euh, ki joxe examen bi fi la nekk mi ngi ci école bi muy Pape Abdoulaye Mbengue ce qui veut dire que école bi donc ñi ko téye euh, ay nit ñoo xamante ne am nañ expérience ci li ñuy def. bañ a rythme bi yaa ngi xalaat comme waajur yi ni ñu ko sakkoo yóbbu ko collège pourquoi pas. effectivement effectivement ñu ngi ñu ngi ñu ngi nii en construction déwén incha allah dañ démarrer ci sixième bi. le troisième bi déwén inshallah dina fonctionnel donc ci loolu lañuy liggéey dinañ fexé dal boo ko loolu ñuy njëriñ. waaw ñu ñu egg fa incha allah. ñu xam ne tamit parents yi bëriwuñu bëriwuñu est-ce que aspect social nationale bi ñu ngi koy jël en compte malgré école privée waaw fii nag mooy école privée boo xam ni kenn du dàq benn élève waaw c' est extrêmement difficile mais noonu la ñuy liggéeyee parents d' élèves yi dañ ci joué sax par fois dañ naan école Pape Doumbia du ñu dàq kenn man donc du ma fay damay benn anecdote dafa am benn élève bu benn parent daax jàngalekat daax mais ba mu tourné gis ma dafa taxaw ne ko dooma daax mu ne ko lu tax mu ne ko borom école bi sant la ko. waaw bi ma ñëwee man ko ah wax dëgg yàlla ma la ko. si biir ko ça veut dire que extrêmement difficile aussi. parce que aussi boo xoolee ñi fi nekk c' est jàngalekat lañu. te aussi loolu mooy tax école bi mën a jëm kanam mais aussi aspect social bi fii dañ ci tenir compte bu baax a baax moo tax aussi dañ ciy liggéey daal waaw. Euh, jàngale baax na mais valeurs yi. si kër gi la war tàmbale mais yéen fii da ngeen liggéey si xale yi ak tolluwaay réew mi yaakaar ngeen ne xale yi mën nañu échappé si li jafe-jafe adduna yi. absolument absolument xam naa lenn moom li am mooy valeurs yi moom dañ cee insister insister nañ ci bu baax liggéey nañ ci bu baax ba nga xamante ni xale yi génnee fii nañ nekk xale yoo xamante ni vraiment côté valeur bi dina ci insister bu baax a baax a baax. Mhm. toujours da ngay woote jàmm au-delà sa casquette nitu jàmm nga bien sûr mais chef d'entreprise nga également mhm. tolluwaayu réew mi fii noo gisee. Euh, dialogue bi ak lan ma war a doon taxawaay ku ne. waaw mooy li ñu waxoon depuis le début rek mooy dialogue bi moom dafa gën a yaatu yaatu ubbeeku ci ñëpp aspect yëpp couche yëpp. parce que bu fekkente ni dañuy dialogue bu fekkee bàyyi nañ benn couche rek mën na remettre en cause li nga xamante ni def nañ ko donc je pense que tey ñun li ñuy wax rek la appel bi ñuy lancé moom la ñuy dellu di lancé waat président bi ne ko na déglu ñëpp na waxtaan ak ñëpp parce que moom mooy président de la République donc devoir am mooy mu déglu ñëpp waxtaan ak ñëpp tenir compte ci lu ne après nag li war a am moom lañ ko dénk li ci des nag moom xool toujours ci aspect école bi hein, euh, mën nañ ne euh, l'école publique peut-être li muy bénéficier ci état bi euh, mënul yem ak privé mais dans ce cadre est-ce que les autorités surtout côté matériel particulièrement euh, côté privé bi avons tous les privilèges du côté état parce que boo xoolee cette année état bi yónni yónni na fi ay inspection ñu def ay inspecteurs go yo xamanteni ñu nous ñu s'attendait même pas et ça veut dire que donc école bi amna na benn ouverture loolu liko waral moy liguey biñ liguey l'année dernière ci côté niveau bi donc loolu mo poussé état bi ba ñu ñëw xool ñu mais vraiment ñu sant yàlla bu baax war nañ ko continuer quand même. di absolument absolument mais je pense que ñom ñom personnellement ñom dañuy liguey ci loolu ci lu bari. établissement yi liguey état bi mom dama gis naa quoi waaw ñoom duñ ko sax caaxaanee établissement yi nga xam ne dañuy def de très bons résultats dañuy ñëw di leen visiter et puis ensuite di leen contrôler ça c'est important quoi. man xam naa ci dara tante mii xam na ci dara raabi mii xam na ci dara ñii fi toog xam nañ ci dara jamono bi dafa toll ñuy tàggat xale ci ay valeur parce que valeur dafa am solo yaay du fo waajur du fo mais surtout yaay. ndey ndey ndey soog wax bàyyi ku teral sa yaay rek yàlla teral la man de ku ma bëgg a nax rek ne ma sa yaay bi muy wax walla xam na ne ay waxam dama ci gis sama bopp gis si tante bi parce que moo nekkoon li ma naroon clôturer kii dama ko fekk sunu makkaan fekk ko Kébémer fekk ko Tivaouane di ko gis moo ay waajuram ndax man ne nag di la wax leen sa benn manche de ressource lii ndorte rek la li ci kanam rawul bët loolu laa ci bëggoon sax ngeen baal

jikko isma nga yor benn yoon ngay tooy ma ni jigéen ji gën ci kër mooy jigéen ji ci li gën jigéen ju tool ba yaa ji war a fekk na faste ji yaay fanta ni ngay jiwe ku la roy for ci baax gu wér jigéen ji jiital réew jiital nag mbaax ci këram yor nga sa doom ko naw ko dugg yaa sa way jur ya yar nañ la moo tax ñu naw loola dundal wéral sa dundam na njëriñ asa yokk réalise réalise les prières qui et moi de saluer mon ami mon frère et ami Moussa Bouridjouf en premier. Moussa, vous avez tous mes hommages. Je suis très contente de vous retrouver là. Et c'est toujours un plaisir de coagir avec toi. Merci Moussa. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, honorables invités, honorables amis. Je parlerai d'amis. Je vais tendre le protocole puisqu'il fait nuit, puisque dans cette assemblée, je crois qu'on ne compte que des amis. Donc, permettez-moi de dire tout simplement, chers amis, pour confondre tout le monde dans la masse critique de personnes ici présentes pour la même cause, l'éducation des enfants. Très chers élèves, Très cher récipiendaire, il me plairait de m'adresser en premier à vous, très chers élèves, car c'est à vous que reviennent aujourd'hui tous ces honneurs. Vous sans qui il n'y aurait point d'école, point d'enseignants, donc point de fête, encore moins de marraine. À l'occasion de cette cérémonie qui vous est dédiée, j'ai été désignée par la communauté éducative de l'école Cœur Fanta Prestige, grappée autour du directeur Michel Mbaïsis pour être votre marraine. Devant cette belle distinction, je n'ai pu m'empêcher de ressentir, il faut que je le dise, que je le reconnaisse. À l'annonce de la nouvelle, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point votre geste dépassait les mérites de ma modeste personne. Du ressenti, parce que simplement, je suis tessoise et fière de l'être. L'annonce, je suis fière de l'être. Les souvenirs de l'écolière que je fus, à la femme adulte que je suis aujourd'hui, bougonnent en moi à chaque pas de ma vie dans cette ville à qui je confie les tiroirs d'une mémoire nostalgique. Il est vrai que toute personne, même des plus modestes, et à plus forte raison, toute enseignante, tout enseignant, dans ses tâches, lorsque celles-ci, dans leur accomplissement, sont couronnées de beaux résultats, aiment être primées. Je le désirais bien aussi. Mais il ne m'a pas été possible de mesurer la largesse de votre geste en m'extirpant de cette masse critique d'enseignantes et d'inspecteurs et d'inspectrices férus dans le rôle d'encadreur et de contrôleur des connaissances, la plupart maîtres et censeurs du verbe, pétris de compétences et d'expérience pour justement me choisir moi, Aïssatou bien cassé. Vraiment, je me choisis en vantant mes mérites surtout, mérites dont je ne me rends point compte, puisque optant souvent pour une sincère modestie dans tous mes gestes et dans toutes mes actions. En réponse à votre geste, dont je ne trouve toujours pas le compendium métrique me permettant de mesurer sa grandeur je viens ainsi, dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, apporter modestement ma contribution aux récompenses de nos vaillants élèves qui méritent aujourd'hui plus que des cadeaux. Oui, quand une école, à peine naissante, Monsieur vient de me dire que l'école n'a que trois ans. Une école, telle une ruche laborieuse, travaille sans relâche pour montrer à la face de sa communauté éducative ce bel échantillon d'élèves qui a fait montre de courage, de persévérance, d'amour pour l'école, pour en arriver à ces résultats, ces dernières et ces derniers mériteraient même la lourde bure des croisettes, parce qu'ils sèment en nous l'espoir et l'espérance pour demain. C'est pourquoi je vous prie de ne pas évaluer ma contribution par sa valeur marchande, mais par toute la symbolique qu'elle représente et le message que je voudrais délivrer à travers ces lots, essentiellement composés d'outils d'économie. Chers pédagogique de l'école fanta Prestige. Merci d'avoir ravivé cette flamme de l'école en moi. Je puis vous assurer qu'aucune audience n'est plus importante pour moi que celle-ci. Mon amour pour l'école est plus qu'un sacerdoce. Il me permet de rendre hommage à tous ces vaillants enseignants qui ont gouverné nos premiers pas vers le déchiffrage qui nous ont appris à lire de manière courante et expressive, à écrire et à calculer. Ceux-là qui ont semé en nous des graines de civisme et de morale, de connaissances balbutiantes en histoire et en sciences de la vie et de la terre. Ceux et celles-là qui nous ont même initiés par des tâtonnements expérimentaux en démarche scientifique. Mon amour pour l'école est un devoir car l'école m'a tout donné. Ses maths, ses sciences, ses dictées, mais aussi ces vives mentions qui m'ont valu aujourd'hui le statut actuel d'inspectrice de l'éducation, non moins écrivain. Aujourd'hui donc, vous voyez que je suis une militante de l'école. Je le reconnais et j'en suis fière. L'école à qui je suis liée par le serment de la fidélité. Je voudrais alors dédier avec votre permission cette distinction comme un hommage rendu à tous ceux qui partagent la même profession, ce même sentiment, le même combat avec moi, l'éducation des enfants qui sont ici présents et me témoignent estime, amitié et solidarité. Je veux parler de toute cette belle délégation qui m'accompagne. Merci pour ce clin d'œil sur chemin d'école le livre que j'ai écrit pour tous les âges, mais surtout pour les enseignants et les parents d'élèves, pour une alerte, une veille et une éducation repensée de ce que nous avons de plus cher, notre progéniture, notre jeunesse. Cette manne importante pour la relève de demain. En effet, l'écriture n'est pas seulement pour moi une réjouissance solitaire. Elle est un moyen de sensibiliser le plus grand nombre de personnes en leur offrant un modèle de réussite d'une enfant en hein, la personne de son héroïne Néné que Moussa Boudon, Moussa Bouri parlait tout à l'heure, qui malgré des entraves inimaginables est parvenue à se réaliser grâce à une bonne détermination dans ses études. L'aboutissement de chemin d'école, c'est alors de belles roses, mais après avoir trébuché sur beaucoup de ronces. Mon rôle en tant qu'écrivaine n'a pu se séparer des devoirs difficiles de la vie car j'ai le devoir d'être au service de ceux qui subissent l'histoire, surtout les jeunes, surtout les enseignants, mais surtout les parents d'élèves. J'ai choisi alors de rester sur le champ scolaire pour jouer ma partition en tant qu'écrivaine, car justement, je ne puis me détacher de l'éducation. Mes armes ne sont pas encore érodées bien que qu'œuvrant dans un autre ministère aujourd'hui, qu'est le ministère des Transports aériens. Mes armes résistent encore à l'usure de ce nouveau secteur pour me permettre de faire face aux exigences de notre société quant à la réussite des élèves. C'est pourquoi j'ai écrit Chemin me Mes amis d'enfance, anciens camarades de classe et promotionnaires, mes collègues enseignantes ici présentes, Merci encore une fois d'avoir donné raison à l'adage, je Si on veut retrouver ses vrais amis, il faut retourner dans l'enfance. Cette chose importante qui est en nous et que nous devons toujours porter en bande bandoulière pour ne pas oublier d'où nous sommes venus et pouvoir nous projeter dans l'avenir. Merci mes amis. Enseignant que j'appelle les marcheurs de nuit. Parce que ce n'est qu'au lever du jour que les marcheurs de nuit seront contents d'avoir marché toute la nuit. Par métaphore, comprenez par là que marcher pendant la nuit, c'est le travail que fait l'enseignant chez lui à chaque fois pour pouvoir présenter une leçon digne d'apprentissage pour nous montrer en tout cas un bel échantillon d'élèves ayant réussi. Merci cher enseignant. Un avenir durable est un résultat pratique du développement durable qui ne peut être mis en exercice sans l'harmonie des intentions et des volontés. Et c'est en partie à travers la mise en confiance des enfants et leur responsabilisation précoce dans un espace scolaire apaisé, sécurisant et sécuritaire qu'on peut espérer la germination de bonnes graines qui, telles celles des pollens, s'aimeront à tout vent euh, en tout cas l'espoir de demain. Et ce, tout enseignant devrait le savoir. C'est sur ces notes de recommandation que je voudrais terminer mon speech. En remerciant, mais à travers ma personne aussi, recevez tous les encouragements et toutes les félicitations de toute cette délégation qui m'accompagne. qui est composé de parterres, de bonnes gens, pétris en ce qu'ils font, responsables la plupart du temps de hautes personnalités qui ont voulu se joindre à moi aujourd'hui pour magnifier la fête à Tirsamba. Merci tout le monde. Merci maître.